Bonsoir, bonsoir amis jeunes, bienvenue dans l'actu des jeunes. Nous sommes samedi 23 décembre 2023 et vous êtes en compagnie de Samira Wafi et Mariam Ibrahim Adé. Salut Rima, tu vas bien Tranquille, ma belle, et toi Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu de ce soir ce soir d'abord cap sur Agadez pour la fin du camp des jeunes. Dans le mini-mag, nous ferons un tour à Gaïa où à l'occasion de l'anniversaire de la fête de la République le 18 décembre, la jeunesse a organisé des séances de sensibilisation et enfin nous aurons notre rubrique sport. Le Conseil national de la jeunesse, en collaboration avec euh, le ministère de tutelle, a organisé du 15 au 20 décembre à Agadez la 13e édition du camp national des jeunes. Les jeunes des huit régions ont pris part à cette activité. Écoutons Sidi Mohamed, président national du Conseil des jeunes. Pour plus de précisions, il est au micro de notre correspondante Tela Amadou. Cette 13e édition a pour thème Jeunesse engagée et résiliente pour la sauvegarde de la patrie. Et comme vous le savez, cette 13e édition vient intervenir en prélude à la 44e édition du championnat national du sabre qui se tiendra toujours ici du 22 au 31. Donc il faudrait amener les jeunes pour mener un certain nombre d'actions, notamment les salubrités. Il faudrait aussi euh, faire des curages des caniveaux, de tout ce qui peut rendre de la ville plus propre, plus accueillante, plus belle, d'une part. D'autre part, euh, au niveau des camps de jeunes, nous tenons des conférences à l'endroit des jeunes. Comme vous le savez, euh, il fallait aussi euh, faire comprendre, faire savoir aux jeunes que notre pays aujourd'hui est dans une, dans une situation particulière. Et dans les camps de jeunes, on apprend tout aux jeunes. Les jeunes cuisinent, les jeunes chantent. C'est une autre école qu'on apprend au niveau des camps de jeunes. Donc, c'est des activités régaliennes, j'allais dire, du ministère de la Jeunesse encore, et surtout du Conseil de la Jeunesse qui est aussi un organe mis par l'État qui est sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et de l'Espoir. À l'occasion de l'anniversaire de la proclamation de la République euh, du 18 décembre 1958, le Conseil communal des jeunes de Dogondouchi a organisé une séance de salubrité couplée avec la sensibilisation des vendeurs ambulants sur les dangers d'occupation des grandes voies. Abdelkader Nouhoumalan Sani, premier reporter du Conseil de Dogondouchi, il est au micro de Aliyobawa. Donc aujourd'hui, nous sommes sortis dans le sens de commémorer la date du 18 décembre 1958. Donc nous avons profité avec euh, cette date-là pour faire une activité qui rentre dans les actions de développement, la salubrité et nous avons profité aussi avec euh, les voiries là qu'on est en train de faire les différentes voies. On a remarqué qu'il y a beaucoup vraiment des vendeurs ambulants qui se sont stationnés sur les trottoirs des passages piétons. Donc on est venu pour les sensibiliser parce que s'ils occupent les trottoirs, les passagers vont monter sur les goudrons et ça provoque beaucoup des accidents. Parce que déjà il y a un projet d'outils Husky. Donc nous voulons faire de ces outils Husky là une réalité. C'est pourquoi on est sorti et on va continuer dans ce sens. Donc nous appelons aussi tous les jeunes de la commune ainsi que des autres communes pour faire de même et contribuer au développement de notre commune et celui du pays en général. La région de Maradi a son bureau du Conseil régional de la jeunesse. Il a été mis en place le mardi 28 novembre, mais sur le fond de contestation par les conseils de Dekoro, Mayeyi et Tessawa. Une situation qui n'a pas entaché la tenue des élections mais jette un froid entre ces jeunes, suivant le reportage de Mohamed Maman. La salle de réunion du gouvernorat de Maradi a servi de cadre à la tenue de cette assemblée générale qui s'est finalement déroulée sans les conseils de Tessawa, Dakoro et Mayaï. Pour le président du conseil départemental de Dakoro, Lawali Gado, les textes n'ont pas été bien interprétés. Dakoro, Mayaï et Tessawa se sont retirés dans trois départements pour des raisons valables. Et nous, à notre niveau d'Akuro et de Sava, nous avons mandaté des candidats en s'inscrivant justement de ces textes-là. Et au-dessus de ces textes-là, nous, nous avons travaillé avec les Pour le directeur régional de la jeunesse et des sports, Ali Dandela, les contestataires étaient venus juste pour bloquer les travaux. Pour lui, ces jeunes ont mal interprété l'arrêté qui organise, attribue le fonctionnement des conseils de la jeunesse leur a dit que de ne pas mettre des présidents de commission. C'est seulement les membres du bureau qu'il faut mettre. Et comme quoi, ils sont venus avec des membres de commission, des gens qui ne savent même pas ce qu'on est en train de faire réellement. Siégeant à la table de séance comme rapporteur, le président sortant du Conseil de la jeunesse de Maradi, Boubacar Moussa, a invité ces jeunes à la cohésion pour une synergie d'action. Et vraiment, il faut que les gens se mettent en tête que le procès il est apolitique. Donc, c'est juste un organe consultatif. Ce n'est pas de la politique, ce n'est pas du syndicat. Si les gens pensent venir au conseil pour pouvoir revendiquer ou bien réclamer, insulter les gens, je pense que ce n'est pas, le, pas le lieu. pour l'heure, on peut dire que les choses se sont calmées. À l'occasion de la fête de la République, toujours du 18 décembre, la jeunesse de Gaïa a pris l'initiative d'organiser des séances de sensibilisation et de vulgarisation du guide du citoyen du Niger élaboré par l'État du Niger. Cette action de jeunes de Gaïa s'inscrit dans le cadre de la semaine humanitaire marquée par des activités au service de la communauté, suivant le reportage de Fadel Alou. C'est pour renforcer la conscience citoyenne en éclairant sur les droits et responsabilités des citoyens que les jeunes de Gaïa ont organisé ces séances de sensibilisation et de vulgarisation du guide du citoyen du Niger. Hassan Yakuba Abdul Kadri, l'un des organisateurs. Ces documents-là, nous pensons qu'ils peuvent contribuer à la formation des citoyens responsables, souciés du développement de leur pays. Donc c'est pour cela que nous avons jugé utile de joindre euh, cette vulgarisation à ces activités. Les participants partagent leurs réactions sur la sensibilisation. Les retours reflètent une appréciation générale de cette activité éducative qui éclaire sur les devoirs citoyens. Ce guide-là renferme beaucoup d'informations et ça peut contribuer à la formation d'un citoyen responsable et averti. Ces sessions devraient se multiplier pour une sensibilisation continue et approfondie. Il faut rappeler que le guide du citoyen du Niger renferme des notions et des repères précis, des procédures et des contacts très utiles pour guider le citoyen dans sa mission sacrée de bonne citoyenneté. À présent, c'est la page sport avec notre chroniqueur. Nous allons parler de l'Académie de football de la FENIFOOT. La première promotion de ce centre d'apprentissage en football effectuera sa rentrée le 3 janvier 2024. L'ancien sélectionneur du MENA, l'équipe nationale, Hamé Amadou, aura la charge de piloter cette académie. Il sera épaulé par des anciens joueurs nigériens reconvertis dans l'encadrement. Une soixantaine de jeunes issus de huit régions du pays, âgés de 13 à 15 ans sont admis pour euh, suivre des formations pratiques et théoriques. Dès le 26 décembre 2023, ces jeunes apprenants seront à l'académie afin de procéder aux visites médicaux. Ce centre de sport études euh, permettra aux pensionnaires de suivre un cursus académique normal avec euh, un accent particulier sur l'apprentissage de l'anglais pour les préparer à une éventuelle carrière internationale. Merci fidèles auditeurs de nous avoir suivis. C'est la fin de l'actu des jeunes d'aujourd'hui. Rendez-vous demain dimanche pour un autre numéro. Bye bye